Fidèles auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Pour vous accompagner aujourd'hui, je suis Top Draman accompagné de Salamatou Kadri. Du côté de la régie, nous avons Mustafa Yuba et Fanta Chamsou. Bonjour Salamatou, ça va Bonjour qui ça va très bien. Pour vous informer et vous divertir, nous avons concocté un programme riche et varié, le flash d'informations, la rubrique hebdomadaire, la page sport, la rubrique portrait, le loti du jour et de la musique 100% nigérienne. Nous suivrons un entretien de Mustapha Amadoudi, l'écrivain de Dandi. Avec lui, nous allons parler de ses œuvres en langue nationale. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Nafisa de Moussirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya, bonjour Salamatou. Bonjour Nafisa. quelles sont les nouvelles de ce matin À la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Dubaï, le chef d'ONU Climat Simon Stiel a prévenu hier mercredi les délégués de la COP 28 qu'il n'était pas là pour marquer des ponts politiques ni jouer à la politique du moins 10 ans, mais pour prendre des mesures ambitieuses. Une information publiée sur la page des Nations Unies, un accord sur le financement de l'adaptation au climat et un autre sur le sort des combustibles fossiles sont toujours en suspens. 47 chefs traditionnels de 8 régions du Niger sont à Niamey pour leur rencontre annuelle. La rencontre de deux jours euh, permettra à ces chefs traditionnels d'analyser et de réaffirmer leur engagement pour l'évolution positive des normes sociales. Enfin, le gouvernement burkinabé a adopté hier 6 décembre 2023 en Conseil des ministres un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet prévoit l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle du pays. Le français demeure cependant une langue de travail selon le projet de loi. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa. Je le disais tantôt que nous suivrons un entretien avec Mustapha Amadou, dit l'écrivain du Dandi. Mais avant, nous allons partir en musique et je vous propose Ranan Auré, Ranan Auromou de MDM Crew. Clap your hands, ton jour c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Oh, quelle joie dit, oh, c'est toi la plus belle. J'ai fait le devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. C'est ton jour c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Au quelle joie dit, oh, c'est toi la plus belle. yo baby, you they make me happy. Uh-huh. c'est notre jour aujourd'hui, ma suite, on est unis pour la vie. Uh-huh. regarde tout ce beau monde, il est là pour toi et moi. l'amour, la joie des mariés le jour du mariage entouré de leurs amis, familles et connaissances. लिए तो तुम Yorana quitter, Yorana mouter. J'ai fait l'est commander mon Dieu, bébé, d'être ton meilleur. C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau. Ouais. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Et bon Dieu, auquel joie today, oh c'est toi la plus belle. mon Dieu, bébé, d'être autant meilleur. Y'aura n'a quitté, il y aura la moitié. J'ai fait l'escroc, mon Dieu, mon Dieu, bébé, d'être autant meilleur. Après cette pause musicale, fidèles auditeurs, je vous propose de suivre à présent la première partie de l'entretien avec Mustapha Amadou, dit l'écrivain du Dandy. Il est au micro de Fadel Alou. D'abord, Mustapha Amadou, euh, comment vous est arrivée l'idée de, devenir écrivain euh, Avant, euh, j'aimerais que vous compreniez une chose. je suis informé du CFCA, actuel IFAMF, Institut de formation en alphabétisation et l'éducation non formelle. Et que, eh, Dieu merci, au moment de, de l'apprentissage, pendant euh, le processus de formation, dès la première année, j'ai commencé à m'intéresser euh, sur euh, les devinettes et les contes aussi africains. Et que vous le savez, au niveau de, du CFC, actuel IFINF, c'est là où, en fait, toutes les langues du Niger sont étudiées et sont aussi enseignées. Et donc, euh, heureusement, pour nous, euh, notre promotion, on est arrivé à mettre un comité euh, en place qui s'appelle CRRLN. C'est un comité de recherche pour la revalorisation de nos langues nationales. Et que, Dieu merci, il y avait toutes les ethnies qui, sont, qui composent également ce comité-là. Et partant de là, je me suis dit, il est important. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin euh, de ses traditions, l'Afrique a besoin également de sa culture et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit maintenant, dans le contexte nigérien, qu'est-ce que je peux apporter de ma part Et c'est partant de là que euh, l'idée est née pour euh, les écritures. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une passion, mais c'est une vie. Donc j'ai commencé vraiment à faire la, production en tant que telle des histoires. Et c'est tout que le premier document qui a été édité et vulgarisé en 2016, c'était sur Kamogoy, écrit en trois langues, le Hausa, le Zarma et aussi la langue française. Quels sont les autres sujets que vous abordez dans vos ouvrages Vous le savez, il est toujours de notre devoir, si vous voulez, de dénoncer les pratiques qui étouffe le développement humain. Vous le savez, permettez-moi de vous dire, euh, avec euh, tous ces investissements de, l'État et, des ONG, des projets, pour garantir euh, la potabilité de l'eau. Mais malheureusement, quand on prend la chaîne de l'eau, dans les villages, et y compris aussi dans les villes, les conditions garantissant cette potabilité-là et ne sont pas respectés par les consommateurs. Et ce sont également euh, ces réalités-là qui m'ont amené à écrire un document qui parle sur euh, la propriété. Et partant des faits réels, partant également euh, du, du, quotidien. J'ai aussi écrit sur, comment dirais-je, l'exode, les jeunes Africains qui prenaient la direction de l'Europe, en passant d'abord par, la, euh, en, passant d'abord par le Niger, par Agadez, Libye, mais finalement, selon mes propres recherches, selon les enquêtes menées, les observations, etc., mm. et les 80% finissent leur parcours dans les océans. Et c'est des jeunes. Non seulement il y a la force de l'âge, c'est aussi des intellectuels. Donc c'est une perte pour l'Afrique. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, il est important, en tant qu'écrivain, d'apporter ma part de contribution pour que le message passe et pour qu'il ait aussi une révalorisation euh, de, nos langues euh, nationales. Il est important pour moi de passer par euh, nos langues nationales et de faire mes écrits de privilégier ce que je suis, dans ce que je suis en train de faire par la langue nationale. Parce qu'au Niger, nous avons à peu près moins de, j'ai dit moins de 20% qui sont lettrés. Et le message passe 2, 3, 4, 5 à 6 fois que la langue française. J'ai écrit aussi sur Tramol. J'ai écrit aussi la euh, consommation du, la tramol. Consommation du tramol. Mhm. J'ai euh, euh, également écrit sur le changement climatique. Donc, scolation de la jeune fille. Et tout ça, c'est en langue nationale Tout ça, là, c'est en langue nationale. parce que euh, l'objectif, euh, si vous voulez, tertiaire, c'est la langue française. Mm. Mais dans tout ce que je suis en train de faire, comme le premier document, j'ai déjà fait la production, l'édition d'abord en langue Zerma Hausa. Ensuite, je me suis euh, intéressé sur la langue française. À ce jour, euh, vous comptez combien d'ouvrages et combien ont été édités jusqu'à jusqu'à présent euh, Merci beaucoup. vous le savez, je suis. Ça fait longtemps que chaque fois je, parlais de ça. Les gens disaient chaque mm. fois je suis sur le sur le huitième ouvrage qui est en pleine écriture mm. et je suis heureusement merci euh, vers la fin 2023. Et je suis aussi presque à la fin de, ce, cet ouvrage-là qui parlait sur euh, de la jeune fille. En tout et pour tout, j'ai huit documents, mais euh, malheureusement, avec les moyens de bord, euh, ce n'est que deux qui sont produits. Et donc, Kambogoy, Aichi Métier, c'est ça, le, premier document, traduit en trois langues, et aussi le le deuxième document qui est euh, qui parlait sur la consommation de chicha qu'on appelle en zerman euh, kumsei le titre euh, Hausa Gourou Gourou D'accord <laughs> Mustapha Amadou, on va faire une courte pause et on va revenir juste après pour poursuivre cet entretien Chers auditeurs, nous allons prendre une pause musicale avant d'entamer la deuxième partie de notre entretien. Écoutons ensemble Tabou 6 et 2 ZM en featuring avec John Sofa Je dois partir. Malgré la paix, malgré l'hospitalité, je dois partir. Trop dur d'être jeune chez nous. Vivre, fardeau fatal. Dans nos têtes, le doute s'installe. Que c'est dur, dur de douter de son avenir. Triste de savoir que pire sera le lendemain. Dur de ne pas savoir comment en finir. Je dois partir. À Panam ou chez l'oncle Sam conscient de tous les dangers. Je sais que là-bas, je serai comme un naufragé, mais je saurai nager. Je dois partir car j'ai honte, honte toujours tendre la main. Maître de toutes mes facultés, faut que je gagne mon pain. Je m'en vais là où l'espoir est possible, même si là-bas ma vie serait jamais paisible, où mon visage triste passerait invisible. Je partirai car chez moi la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée. préciser en germain qui veut dire les enfants nés à l'étranger, ça s'apparente surtout aux enfants qui migrent dans les pays côtiers. Dans ce chant, les chanteurs décrivent le parcours plein de péripéties. Je dois partir vers d'autres horizons pour qu'un jour, à mon retour, mes paroles aient raison m'en vais là où l'espoir est possible. Défier leur mépris et leur climat impossible. On m'a dit que chez eux, la misère est visible. Mais ici, c'est celle des miens et de toute cette jeunesse cible qui souffre en silence sans évolution possible. Je dois partir. Il paraît que là-bas, toutes les cartes ne sont pas encore jouées. Mais ici, pour ceux de ma génération, le jeu est déjà fini. Bon nombre de nos aînés ont échoué. Dans l'alcool, ils ont sombré. Dans l'échec familial, souvent dû au manque d'emploi, la misère les a cloués dans leur tête. C'est sûr que de regret de ne pas avoir fui quand c'était possible. Avant que la vache ne devienne vraiment maigre, je dois partir. Peut-être qu'un jour à leurs yeux, je serai crédible koye ñagogoge dangay inna berini no wasa, hankan kada suru kul no gaban tabi gaban yadinga gaban jau gaban ya dinga he no wasa iri yagoga koy kalir mbogo ka sar ku bar ma cire gal mago ka korbo bero date na ji fu borai na gawi cira wo Vous c'est de ZM et John Sofa collège, chers auditeurs, suivant à présent la deuxième partie de notre entretien de Mustapha Amadou au micro de Fadel Alou. Mustapha Amadou, on revient euh, sur ce plateau pour cette fois-ci parler hein, des écritures euh, en langue euh, nationale, particulièrement en langue zarma que vous avez entamé depuis quelques jours. Comment est-ce que d'abord vous avez commencé ces recherches pour aboutir à ces écritures Vous le savez, les alphabets là, c'est le latin que nous sommes en train de réexploiter pour matérialiser notre langue ou nos langues. Et j'ai dit, pourquoi ne pas essayer au moins de voir si c'est faisable Et c'est partant de là que l'idée est née. Après, j'ai commencé mes recherches. Je me suis d'abord intéressé sur l'Égypte antique avec les hiéroglyphes. Je faisais beaucoup de recherches. Et je suis parti voir au moins les Templiers, les, Mayas, les Incas, les Vikings. J'ai fait tellement de recherches sur leurs techniques de communication, leur transcription. Et après, je suis revenu au niveau de l'Égypte. J'ai aussi euh, vu comment est-ce qu'ils sont en train vraiment de, de procéder euh, à la communication et tout ce qui C'est tous les écritures. Enfin, je suis revenu toujours sur l'Égypte parce que c'est l'une des premières villes de la planète. Et donc, je me suis dit, et c'est déjà bon, j'ai fait ma propre conclusion. Et c'est partant de cette substance que je me suis préparé pour pouvoir caractériser en quelque sorte la langue où j'ai dit les alphabets sahéliens. Aineha. Aineha, c'est comme ça que euh, vous, vous, les appelez. Ben, comment est-ce que vous représentez, par exemple, des mots ou des phrases euh, Vous le savez, ça là, euh, c'est le résultat de 11 ans de recherche. Selon mes observations au niveau de l'Égypte, la transcription, la langue est matérialisée par leur objet, par les valeurs, si vous voulez, euh, traditionnelles, et artisanales et historiques. Donc, regardez ici, quand on prend euh, les alphabets sahéliens, Aïneha, ça c'est des alphabets et qui prennent en charge tout ce qui est Zerma, Soraï et Dandi. Parce que le deuxième projet est presque aussi à la fin, les alphabets sahéliens, Mais pour le moment, je suis sûr les alphabets sahéliens Je suis arrivé à avoir les alphabets au complet, les, les voiles longues, les voiles courtes, les digraphes, les diphtongues, les verbes, les conjugaisons. J'ai eu tout ce qu'il faut. J'ai pris tout ce qui est nécessaire dans la transcription. Après vos recherches, euh, combien d'alphabets est-ce que vous êtes arrivé à identifier, euh, de diphtongues euh, et tout 25 alphabet sahélien. À travers les 25, nous avons 5 voiles et 20 consonnes. Donc au niveau des voiles aussi, nous avons ce qu'on appelle les voiles longues et les voiles nasalisées. Courtes, les voiles nasalisées longues. Et partant de là aussi, un peu loin, on, aura, on verra ce qu'on appelle, par exemple ici, nous avons les diphtongues, et à ce niveau aussi, nous avons les digraphes, et, et les fonctions de yang, plus les fonctions de yang. Donc vraiment, je me suis inspiré d'abord euh, de, la substance euh, euh, déjà existée sur l'arrêté son examen pour pouvoir matérialiser cette transcription qu'on appelle les alphabets sahéliens Ainiha. Ben, euh, est-ce que vous avez commencé déjà la vulgarisation de, cela ou comment est-ce que vous comptez quand même vulgariser euh, ces alphabets-là pour que ça puisse toucher euh, le maximum de personnes possible, pour que ces alphabets soient aussi étudiés dans les, dans les différentes écoles où on apprend aussi hein, à lire et à écrire en Hausa et en Zarma <laughs> Voilà, vous le savez, si aujourd'hui je suis en train de partager avec vous euh, cette découverte, euh, cette conclusion. C'est partant déjà d'un long parcours. Euh, durant ces recherches, je faisais mes enquêtes, mes conclusions m'ont encouragé à partager ce que je suis en train de faire. Mais ça là, il me faut ce qu'on appelle l'accompagnement institutionnel. Parce que je dois vous rappeler que depuis que j'ai commencé également euh, à faire des écrits entre euh, Dosso, ville et Niamey. J'ai déposé 36 requêtes qui n'ont pas eu de retour euh, positif. Et ce que je voulais dire, 37e requête est en train d'être préparée pour être adressée à Madame Elisabeth, la ministre de l'Éducation nationale, voir dans quelle mesure d'abord je pourrais avoir un entretien pour expliquer ce projet et que peut-être ça fera euh, le déclenchement euh, total pour la transcription de manière authentique et de manière africaine, 100% sahélo sahérienne pour caractériser tout ce que nous disposons comme recherche en termes de langue nationale. Et ça va aboutir. D'accord. Merci beaucoup, euh, Mustapha Amadou. Je rappelle que vous êtes euh, écrivain et surnommé l'écrivain du Dendi et merci d'être passé dans nos studios. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire avec euh, Ousmane Mahmoud. Bonjour Ousmane. Bonjour Salamoutou et bonjour à tous. Bonjour Ousmane. Alors, euh, Google a fait à nouveau sensation avec son dernier né Gemini. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette intelligence artificielle Alors oui, bonjour Kaya. Et absolument, c'est Gemini est un modèle de langage euh, d'intelligence artificielle innovant conçu par Google. Donc, en fait, c'est le concurrent direct de ChatGPT euh, qu'on a connu il y a exactement presque une année. Donc c'est un euh, modèle euh, multimodal pour Google Gemini dès sa conception. Donc il a été présenté hier le 6 novembre par Google lors de la conférence IO, donc qui est une conférence annuelle destinée aux développeurs d'applications. Alors, euh, c'est quoi Gemini En quoi est-ce qu'il est, innovant Alors, contrairement aux autres modèles précédents qui se basaient principalement sur le texte, Gemini Excel, et ça Google l'a montré euh, chiffres à, l'appui de l'analyse, le traitement et la combinaison fluide de divers types d'informations, que ce soit du texte, du code informatique, de l'audio, de l'image ou de la vidéo. Et vous pouvez partir sur la chaîne YouTube de Google, euh, vous allez voir les démos, elles sont vraiment impressionnantes. Mais qu'en est-il de ces performances euh, par rapport aux modèles existants? Alors, Google a présenté un grand tableau dans lequel ils ont référencé 30 sur, sur 30 des 32 référentiels académiques. Les référentiels, en fait, c'est des petites variables qui servent à noter les intelligences, les modèles de langage euh, d'apprentissage automatique. Gemini, sur cet aspect-là, surpasse euh, ChatGP4 d'OpenAI sur tout plein de référentiels, ainsi que tous les autres modèles euh, concurrents. Par exemple, celui de Facebook qui s'appelle Yama. C'est particulièrement remarquable dans le domaine de la gestion multimodale. Donc tout ce qui est multitâche euh, ou Gemini se distingue vraiment euh, avec une grosse avance. Ses capacités sophistiquées de raisonnement lui permettent euh, d'interpréter des informations complexes, ce qui les rend idéal pour extraire par exemple des connaissances difficiles à discerner dans d'énormes volumes de données. Et Ousmane, on aimerait bien savoir, est-ce que Google compte rendre cette technologie accessible à tous alors, hier, Google euh, a dit qu'il avait cette intention de mettre Gemini entre les mains de tout le monde, donc le grand public. Ils, euh, ils ont proposé trois versions optimisées de leur modèle. Donc, il y a Gemini Ultra, qui est le modèle le plus complet. Après, il y a Gemini Pro, euh, un modèle polyvalent adapté à de nombreuses tâches. Et enfin, il y a Gemini Nano, donc un modèle capable de fonctionner localement. Donc c'est ce type de modèle qu'on va retrouver dans les téléphones portables, par exemple, et qui n'aura pas besoin d'Internet pour tourner. Et comment s'intègre-t-il à l'écosystème Google existant alors, je le disais, Gemini s'intègre parfaitement à Google Bard, donc qui est en fait le chat GPT de Google. L'agent conversationnel, il est déjà disponible. Donc, euh, Gemini Pro, vous pouvez dès aujourd'hui le tester. Il intègre dès aujourd'hui Google Bard en anglais dans de nombreux pays, notamment j'ai regardé, il y a le Niger aussi qui, en fait partie. je l'ai testé hier et ce matin. Et en Europe, malheureusement, elle n'est pas disponible à cause du RGPD, donc euh, la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Et d'ailleurs, c'était le cas euh, au lancement de BARD. Gemini Ultra, de son côté, proposera une version avancée de Google BARD en 2024. Ils n'ont pas donné de date précise après avoir euh, passé tous les tests de confiance et de sûreté. Mais cependant, Gemini Ultra, il est quand même disponible, il sera du moins disponible dès, le, dès ce 13 décembre euh, pour les développeurs. Donc Gemini Ultra, c'est vraiment la version sur laquelle ils ont fait tous leurs tests. que, que, vous allez voir dans les démos de Google, il est super impressionnant. Hmm. Et dans ce cas, qu'en est-il de Gemini Nano Alors, Gemini Nano est déjà disponible sur le Pixel 8. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les pixels, ce sont les téléphones portables que Google fabrique. Il est dispo dès, aujourd'hui. Il permettra notamment, par exemple, de générer des réponses automatiques dans des conversations WhatsApp en anglais pour le moment, dans un premier temps. Donc, donc en un seul clic, depuis leur clavier qui s'appelle euh, le Google Board. Waouh, c'est fascinant de voir à quel point l'IA évolue rapidement. <laughs> Merci Ousmane pour ces éclaircissements sur Gemini et à nos auditeurs restez à l'écoute pour plus d'informations sur les dernières avancées technologiques et à bientôt. Bye bye. Nous allons marquer une pause musicale pour écouter Yafa de Yazdi Maywaka Some coast can only the young sinang, I now. Meiwaka est un jeune artiste nigérien de 25 ans avec déjà une belle carrière. Auteur-compositeur, Yasti était le lead vocal du groupe Métaphore Crew. Après deux albums, le groupe se sépare et Yasdi décide de créer seul fin 2016 son premier album solo Rattraper le temps. Sort au Niger et au Burkina Faso. Il a été finaliste d'Ertel Trace Music Star Edition 2016. y'all from? Chers auditeurs, on passe à la rubrique écho des régions. À Chirozérine, aujourd'hui, la consommation des stupéfiants chez les scolaires et les jeunes en particulier est devenue une situation inquiétante pour la population. C'est pourquoi les autorités compétentes mènent des multiples séances de sensibilisation contre la consommation des drogues. Le reportage de Ahmed Filan. La consommation de stépéfiants par les jeunes scolaires, des tyrosérines, est une situation qui inquiète la population. Abdul Kader, commissaire de police des tyrosérines, indique que les jeunes doivent éviter tout comportement qui vont à l'encontre de leur propre développement. La place de la jeunesse n'est pas à la prison. La jeunesse est entendue pour occuper des fonctions importantes dans les pays sur la délinquance juvénile chez les jeunes en général et les scolaires en particulier. Les jeunes doivent éviter tout comportement qui vont à l'encontre de leur propre développement. Parmi les comportements comme le vol entre scolaires, l'abus de confiance, les coups et blessures volontaires, les violences, les voies de fait, les cas de détournement des mineurs, le harcèlement sexuel. Il y a aussi un phénomène très inquiétant qui est le phénomène de la consommation de la drogue en milieu scolaire avec toutes les conséquences désastreuses qui en découle Mes conseils à l'endroit de la jeunesse, c'est de savoir que la place de la jeunesse n'est pas dans les prisons. La jeunesse est attendue pour occuper des fonctions importantes dans ce pays. Ils doivent faire attention avec tout comportement qui peut vraiment compromettre le développement de leur propre personnalité. Mokhtar Amadou, vice-président communal des jeunes de Tirozérine, en même temps responsable d'une structure appelée Hadin Kamatassa, estime que les problèmes de manque d'emploi des jeunes est l'une des choses qui pousse certains jeunes à consommer la drogue. Shaye-shaye shine babban matsalar mu. Yau in ka ɗauka cikin mutanen da ke shaye-shaye in kashi goma tara ma cikin ɗari za ka je matasa ne. Kuma su ne ake jira gobe su zamanto manyan gobe. Ƙarshen shaye-shaye gaskiya sai in ce maka aiki ke da aiki ba zai zo zamana yi wannan abun ba amma rashin aiki ne da ya kamata ya zamanto yau mutum yana neman kirkira ma kanshi rayuwa wadda za ta tahiyar da shi da zama bai da wani fa'ida idan kana zamne baka komi to tabbas za ka rika wasu nazarurruka daban-daban wanda ba su dace ba musamman a lakwaloli tun da yau dan lakwal sai ya doka shaye-shaye zai iya sa shi ya zamanto an yi devoir yau in ya tayi shaye-shaye zai samu wata grand note furta hankalin shi zai huta wanda bai da hankali kuma zai iya compose har ya kawo wata note mai kyau cikin class ko kuma ana composition ko examen ka te kai shaye shaye kai da baka cikin hankalin ka yaushe zaka fahimta a matsayina na shugaba na kungiya ta hadin kan matasa muna waye matasa kai bisa harkar da shaye shaye da kuma illolin shi tare da gudunmawa authority da suke ka gudunmawa su dan ganin sun yi afiye mu abin yayi kyau kuma za mu ci gaba da wannan tahiya ta wayan mu matasa uwan mu kai ana na ruwa mamman sani docteur au district sanitaire de Chirozérine explique les conséquences et les dangers liés à la consommation de stupéfiants sur la santé des personnes. La consommation de la drogue sur la santé des enfants, quel que soit l'individu, la personne, a des répercussions. Ces différentes répercussions sont disposées en plusieurs sous-ordres. D'abord, il y a la pharmacodépendance. Il faut comprendre sous cet angle la pharmacodépendance comme à partir d'un certain seuil de prise de cette drogue, il vous faut nécessairement avoir ce minimum pour vaquer à vos activités quotidiennes. Du coup, quand vous êtes dépendant, si vous n'avez pas eu la dose minimale pour vous faire fonctionner, toute votre activité, toute votre journée est Deuxièmement, il y a le coût financier parce qu'on ne peut pas te donner ça gratuitement. La troisième des choses, également quand on atteint un certain stade, parce que c'est des escaliers, quand vous attendez un certain stade de non-retour, il se trouve que à ce stade-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la manie, c'est-à-dire c'est un syndrome d'hyper-excitation avec des troubles psychiques, BDA, bouffée délirante et aussi, vous pouvez être euh, amené à ce stade à la déscolarisation si vous êtes euh, un élève. Quand vous partez à l'école, il arrivera un moment où finalement vous n'allez plus aller à l'école. Vous allez être exclu de l'école. Si vous êtes un étudiant, vous allez être renvoyé de l'université. Si vous avez un travail, vous allez être chassé de votre lieu de travail. En regroupant tout ceci, ça veut dire que finalement vous allez vous retrouver dans la rue. Et dans la rue, ça veut dire que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'activité et il vous faut trouver nécessairement de la pour prendre cette drogue-là. Donc qu'est-ce que vous allez faire C'est-à-dire vous allez vous adonner aux attaques à main armée, vous allez vous adonner au vol. Et qui dit toutes ces choses-là, ça veut dire que si aujourd'hui on vous prend pas les mains dans le sac, inévitablement il arrivera un jour où vous serez pris. Quand on parle de drogue, sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, il est temps de nous réchauffer. Eh bien, Hassoum Grouza est avec nous pour la page sport. Bonjour Grouza. Ah, bonjour Salamatou, bonjour Ruki. Bonjour Grouza. Ah, bien. La quatrième journée de la Super League de football a démarré. Oui, c'est moto après la troisième journée jouée le week-end dernier, la quatrième journée de cette compétition d'élite a débuté avec des matchs. Agname Laes Nigelek, leader de la troisième journée avec 10 points, a disposé de l'Akokana d'Arlit C'est le score d'un but à zéro. Le deuxième match de cette quatrième journée des matchs avancés a mis aux prises le Tagour provincial de Dosso, Dosso, la capitale de Jarmakoy à Lurana, d'Agadez. Score final, un but à 0 en faveur du club d'eau-soleil, le Tagour, qui a réalisé sa deuxième victoire dans cette Super League. Gourouza, la Ligue de karaté de la région de Niamey, a organisé la première édition du championnat de karaté intitulé Challenge des clubs. Oui, Ruki, cela s'est déroulé du 2 au 3 décembre 2023 au Palais des Sports de Niamey. C'est une compétition qui a permis de détecter des jeunes talents dans les différents clubs de la capitale après un moment de léthargie, de la discipline. C'est pour cette raison que la Ligue de karaté de la région de Yamé a initié cette compétition. Il a eu 220 athlètes, dont des poussins, des benjamins, des cadets et des juniors issus de 20 clubs de la capitale et dans 19 catégories qui se sont affrontés pour déterminer les meilleurs les meilleurs en kata et en combat. Et cela, attention, c'est une réussite. Espérons que ce sera un nouveau départ pour le karaté à Niamey. Grouza, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire est prête pour la compétition. Oui, le top départ Salamoto sera donné le 13 janvier 2024. La commission d'organisation rassure sur le niveau de préparation de ce tournoi. La Côte d'Ivoire sera donc sous peu la capitale du football africain. Le pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football à quelques semaines du coup d'envoi de cette compétition continentale, le président du comité d'organisation de l'événement, François Albert Amicha, a confirmé aux médias que son pays est prêt pour le ballon rond africain. Voilà pour le sport. Merci beaucoup, Grouza, pour toutes ces infos e-sportifs. Chers auditeurs, dans la rubrique portée de ce jeudi, nous allons à la rencontre du Soufou Garba, relais communautaire dans le village de Dagarka département de Kony. Ce père de famille d'une quarantaine d'années travaille depuis trois ans volontairement dans le CCI de Massalata, la commune qui coiffe son village. Il nous explique sa profession au micro de Fanta Chamsou. ni ina daga cikin waɗanda suna sensibilization kuma suna prison and charge abin da ya shahi yara ƙanana daga wata biyu zuwa shekara biyar muna tirete masassarar cizon sabro da kuma majina da kuma zawo amma an ba mu formation akwai wasu alamomi idan mun gane su sai mu yi firansu zuwa gidan likita CSE na nan ga mutanen gari na da an kai tsawon ga tsarin ya hito sai aka ce to kowane gari su zaɓi wanda sun ka yarda da shi kuma kowane akwai gungun mutanen da an ka bashi wanda zai kula da su kananan yara daga wata biyu zuwa shekara biyar abin da ya shafi wajen bada magani ni rile communitar na na village dagarka amma ƙarƙashin CSE ta masalata mu shidda muke can namiji uku mace uku tun da an ka zo wajen zaben mu aka ce to kowane unguwa su kawo wanda sun ka yarda da shi haka na an kai zaben kowa ya san bakin inda shi ka aiki amma bai hana yan ka zo baka iske wanda wajen ku ba sai ka tai wajen wani wannan firi na ana zuwa wani waje ya kai shekara nawa yanzu da kuke na an kai shekara uku har da yan watanni insha Allah ya ne kuke yin sensibilization in ku sensibilization ita ma kala kala ce muna sensibilization mutane dangane da abin da ya shahi yanzu ke gangu lokaci ana lokacin sanyi ake ciki mm-hmm. kenan ya kamata a kwatanta ma uwayen yara na su bari ma yara wanka da swahi mm-hmm. saboda wanka da swahi yana sa yara su yi majina ita kuma majinan nan matsala gare ta tana da mataki-mataki wanda ta za ta kai yaro ga wata matsala babba insha Allah kamar cikin gwargwadon farmasiyon din da an ka bamu shi ya samu kamar ya zan kamar rigakahi wannan sensibilization a kiyaye ba a yi wanka cikin lokacin sanyi sannan in za a shara ba a aji yaro wajen da kura yi sannan in za a hasa wuta kamar ƙauye dole sai an kwaso wasu kara hakan ga an kimsa sai a kyatta wuta sai hayakin nan ba a son yaro shi shaƙe wannan hayakin da yana iya kama da eh, majina to kamar gida-gida ne kuke ko tara mutane ne a'a ana yi gida-gida kuma ana tara mutane eh ai duk wani lugun da ya kamata a bi a kai wannan sako muna bin shi muna bi gida-gida muna zuwa fada-fada kuma in sun ka zaka nan likita wajen awon yara kuma muna musu idan har ya kama a tara mutane gangami ne kuke yi ko sila kuke bada a'a ba mu sila in dai mun ka zo mun ka iske taron mutane muna zuwa sai mu yi musu sensibilization in kuma ya shahi gida gida sai mu bi gida gida insha Allah to a takaice ko da yake waka dai a baki mai ita ta daɗi eh. kowa ya sani amma wani amfani ne ku za ku iya cewa relay na yi ma al'umma lalle relay shi na da amfani mutane kuma sun tabbatar da lalle aikin namu shi na da amfani domin yaro na kakkai ole ka taho likita sai an ka ce maka ga inda za ka zuwa mutumin na an bashi formation wa shi tiritan yaronka shi baka magani kuma kyauta ba tare ka hau ka buka buka taho ba kenan kaga ai sun mutane sun san unwanin mu kuma mu ma mun san unhwanin shi tunda ko da dai babu kuɗi kamar ba biya na ba an ci firjon na aka bamu ko to ai kana tunanin akwai lada wajen taimakon mutane wace irin matsala ce kuke fuskanta musamman wannan aikin na ku da ya shafi kana gida gida kun ga ku a matsayin ku na a mutane ba mu da matsala da su sosai insha Allah tunda da an gani mu ga alaman mu an san mu an san mu kenan an sa aikin da muka yi mutane suna ba mu haɗin kai wannan wannan wannan bangare insha Allah ba mu matsala kuma suna sauraren mu sosai fuskanta a'a matsaloli ai sai dai ai hankuri kawai shi aiki an ce aiki na na sa kai kenan kaga ba biya gare ka ba duk aikin da muka yi ha ba biya na gare mu ba kenan aiki na wanda yake ai ba sai an ce kai hankuri ba kuma da jan an ce mutum bai da biya kai ka san hankuri na shi kai mutum da iyali ka san hankuri na shi kai Chers auditeurs, reportant en musique pour euh, retrouver le groupe euh, Tempête du désert sur le titre Sony Masoui. <laughs> auditeurs, à présent, le loti du jour propagé des ragots et fausses rumeurs sur autrui et néfaste. Un sujet que les femmes du studio Kalongo abordent avec sérieux de le loti d'aujourd'hui. Elles explorent les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rekia Arimi et Samira Rouafi. Hey! same ki na san kai da yana ne cikin shan motar can to ban so ta gane ba dan shi na ce ki doka to sai me abi ke ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba a'a ba abokiyar mu bace baki shi abin ta yi ma'anna ba me ta yi ga cewar mutane magance ta ta yi shine ma sanadiyar rashin lahiya anna <laughs> wai gaya miki wannan zancen mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki kina iya gaya mini me yasa rahina za ta iya ma anna irin wannan abu. ha ke ko kina yi kamar baki sani ba kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunanta wurin malami don ta kare da ita Hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke ma yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na shi ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne nadira kullum na haɗi miki ki bar jita jite wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jite hmm. a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga magari kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin na dai shi to zo mu wuce daga bannan dai ke da karki yi wani ɓoye-ɓoye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba to to na dai shi na gane kuma to ki saki huska man kawata duk kin bikin sa suka juna kamar da ke nayi ba dole ba in saki huska ai ke ni ke ce nake yi wa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari to shikenan mutum Aujourd'hui, de la rubrique culture linguistique, Soumana Amadou va nous expliquer le mot réchauffement climatique. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Mhm. Donc, euh, en définition, le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une euh, augmentation générale des températures moyennes liées aux activités humaines et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Lorsque l'on en parle aujourd'hui, il s'agit du phénomène d'augmentation des températures qui se produit sur Terre depuis 100 à 150 ans. Depuis le début de la révolution industrielle, les températures moyennes sur Terre ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement. En 2022, la température moyenne euh, sur la planète Terre était environ 1,15 degrés Celsius au-dessus des températures moyennes de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire qu'avant 1850. Les pays de la Convention cadre des Nations Unies, la COP, se réunissent tous les deux ans dans l'un des pays. Cette rencontre vise à résoudre la crise climatique en s'accordant sur les moyens de limiter la hausse des températures et de prévenir et de prévenir effectivement des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cette année, c'est Dubaï qui accueille ce grand événement mondial. Vendredi dernier, 134 pays ont adopté une déclaration sur l'agriculture, l'alimentation et l'action climatique. Il s'agit d'un engagement qui vise à inclure

hande si haala majjum haalama ɗum waɗi ɗum ɓeydo no ngam duuɓi hemre na duuɓi hemre capanɗe joyi ko ƴaɓɓi wona noon ɗum wonturno hande nde enɗan duniya no wodi jargago same ko duuɓi na ɗiɗi e nogaye ɗiɗi nden si ƴewama hono e dow leydi ndi enɗan ɗum ke gotel e pecce sappo e joyi wulare nde enɗan ɗum nduno ɓuuri ko andano fadde yimɓe fuɗɗude golleji kewɗi ko no waɗe hitande ujunere e keme jeete e capanɗe joyi caggal majjum kono leyɗe kawtuɗe ko wiyete cop hitande duuɓi ɗi wara duuɓi ɗiɗi eɓe potta gabbatte ɗum ƴeewa laabi ko wawi hoƴƴede heɓa tawe ɗum heeɓi ɗum ɓoyti hono kulle ɗen endan ɗum wonno towugol na mbiyen kono ɗuɗugol wulowlare nde e jargogol duniya ndu ɗo ya duuɓi ujunaji ɗiɗi e capanɗe joyyi hitande hikka dubbay woni ko batu o waɗa keñal jumare leyɗe hemre e capanɗe tati e nayyi kayen woni ko tabintin dow fii ko darto demal kañum e ñamduji yimɓe e kulle ko woñƴetagol mbakaji watto ɓe gatta ɗum ele sigilaji golleji mabɓe ɗe leyɗi konna niger no tawa nder muɗum Merci. Mietial. Ah, Mietial, c'est le premier, c'est bon. Mais <laughs> Merci Soumana pour ces précisions. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Jarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Écoutons à présent les messages vocaux de nos auditeurs. Mansan Dauda Cinwaza an fi sani na da fikiman Erogan mamba ne kuma kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da ke nan jihar da Magara. gaskiya shirye-shiryen studio Kalangu suna matukar kayatar da ni musamman ma shirin da ake yi nan na haɗu a fada. Gaskiya shirin nan yana birge ni da kuma shirin nan na sanin doka wanda ayoyin doka ake tambayar masana doka a ce doka me ta ce akan kaza to wannan shirin a labaru da ake shi yana matukar burge ni sosai sosai sai dai kuma kamar labaransa da kuke wallafawa a shafukan sada zumunta su ma suna matukar kayatar da mu amma kiran mu a gare su da su yaka yin wallafawa da hausa ma duk da al'ummar mu na nan yankin sun fi aiki da harshen hausa da za su ganin masu bibiyar su sosai sosai ina ku fatan alkhairi ina kuma gaida dukkan 嗯。 ma'aikatan studio Kalangu, ma'aikatan Radio Shukura, ma'aikatan dukkan gidajen radiyika na jihar da magaram da dukkan mambobi na masu kira da sauraron radiyo na Afirka baki daya da kuma masu kira da sauraron radiyo na jihar da magaran eh, rashin jagorancin rabu mai aski na gaida 'yan fada na erogan da 'yan burin zuciya na sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya mu al'ummar jamhuriyar nijar tsakaninmu da rediyo studio kalangu sai yabo da shinshina da fatan alheri alheri da kuma alasan barka tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara daga likafar wannan gidan rediyo sama kuma Allah ya kara ma ma'aikatan ta hazaka. da nisan kwana masu amfani ganin yadda a kullum kuke ƙoƙarin tunatar da mu da kuma sanar da mu abin da ke wakana a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar da kuma bullo da shirye-shirye masu kara ma matasan mu gwiwa akan neman sana'o'in dogaro da kai waɗannan kuma duk kuna yin ne a cikin harsoshi daban-daban na cikin ƙasar tamu jamhuriyar Nijar da haka muke muku fatan alheri idan da dama muna buƙatar ku ƙara eh, lokaci akan shirye-shiryenku na harsunan Hausa domin mu masu bibiyar ku da harshen Hausa mu amfana kamar yadda a ɗan lokacin ma da kuka ware muke amfana. Daga bisani kuma zan dire da gaishe daga wasu daga cikin ma'abuta wannan tasha kamar su Isuho Makeri Madattai sai Mamman Sani Daudacin Waza akwai kuma wakilin ku a nan jihar da Magaram ina kaishe da shi ina muku fatan alheri studio Kalangu. thank you mata suna dubin hankuri in ba ta na cikin ɗaki duba ta na wurin shara koko ta na wurin dawowa arme ya zan kamar yaƙi kai kana gari yawo mata tana gida da diya kai miji kaje sinima can zaka dare da wata mata tana gida da diya Latija kama ka. kar ka ɓata wayonka kuma gida buka. ka nan wurin aiki ba ka can wurin sana'a kaka ku kai da gida nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous êtes en compagnie de Salamatou Kadri et Ruketu Abdraman. Rendez-vous est pris pour demain avec une autre présentation. Excellente journée à vous. Bye bye.